Il est l'heure. On tourne la page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Ukayesi. Barkaji modon e wonta golitane. Jama'a barkamu da e sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Chères auditrices et auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans le Niger sur Kalangou de ce vendredi 5 janvier 2023. Je suis Ali Moukela alias Seno et ce matin je suis avec Fanta Chamsou. Bonjour Fanta. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, merci. On fait aussi un petit coucou à ceux qui assurent à la régie, à la technique, c'est Amina Hassan et Adama Dawaki à l'édition. Alors Seno, présente-nous le menu de ce matin. Alors aujourd'hui, Fanta, d'abord il y a le flash d'informations et ensuite une bonne dose de musique nigérienne comme d'habitude au plaisir de nos auditeurs. Il y aura aussi les chroniques, bien évidemment, Lotti avec les femmes du studio Kalangu et le sport. Et l'invité que nous recevons aujourd'hui est Maimouna Ousseini dit Sylvie. Son métier, décoratrice d'intérieur et artiste peintre. Elle fait de la peinture acrylique. Restez avec nous pour en savoir plus. Chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour une heure de divertissement et d'infos. Bonjour à tous. Tout de suite, le flash est présenté par euh, Rafika, Ataya. Bonjour Rafika. Bonjour Fanta, comment vous allez Alors, pour, euh, pour le flash de ce matin, la loi de finances pour l'année budgétaire 2024 a été signée hier en Conseil des ministres. Le budget s'élève en ressources et en charges à plus de 2650 milliards de francs CFA. Une importante quantité de produits pharmaceutiques périmés d'une valeur de 121 millions de francs CFA a été incinérée hier à Tawa. Une initiative du comité de destruction des produits pharmaceutiques périmés de la commune de Tawa. Ce sont des produits de pharmacie privée et autres structures de santé de la ville de Tawa. Il s'agit des antalgiques, des antibiotiques, anti-inflammatoires, antihistaminiques, anti-hypertensionnaires, antidiabétiques consommables, solutés et cosmétiques saisis ou remis volontairement au comité de destruction par les pharmacies privées et autres structures sanitaires. Et enfin, dans ce flash, une bande de bandits armés auteurs de plusieurs vols et meurtres opérant entre Agadez et Zender a été démantelée par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Zender la semaine dernière. Suite à l'opération menée par la gendarmerie, le chef de la bande armée a trouvé la mort. Quatre bandits du même groupe ont été arrêtés, une arme de type AK-47 saisie et des munitions, deux véhicules 4x4 récupérés, trois motos et des effets militaires. Voilà pour ce flash de ce matin. Merci beaucoup Rafika et bonne journée. Merci. Chers auditeurs, nous la notion tantôt, nous sommes avec Maimouna Ousseini, connue sous le nom de Sylvie. Elle est décoratrice et aussi peintre. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue à vous dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Merci. Bonjour Sylvie, avec vous, nous saurons plus sur le métier qui est apparemment tendance maintenant ou bien. Peut-être bien notre invité nous mettra au parfum, mais en attendant, nous allons marquer une petite pause musicale, un peu rétro mais toujours aussi vivante. Il s'agit de cette chanson de Abdou Kati Kati. yanzu zuciyar maza ta baci direbobi da sojoji gashin jiki ya yi dameji dole ba daɗi ba tila kwaikwayo na bayan godi shantu abin kidin yarbawa salon bulan mutanen Ghana. An yi kidan kalaban labu, kuɗi da alhaji Usman na kani garin ɗan duna ji kan duna mai kashi bada gare dan wanda ko ya ci kasuwa ya kaura. sa kwanciya hutu ce wata ran wa'ansu ne ba mu ne ba. A yanzu sai Ibrahim sabon sarki. na mijin mai ɗaki. Na aligar ga mashin da ba karen giya ba haɗe. Ɗaki na aligar ga dan uwa mai hada kaya. Dogo angon fati mai ba mu ɗan zama. Mun biya sarar kasa daga zabo na ala angon fati. Ashe, uban salamata salam

love of my Kate Kate incarne l'essence de sa voix envoûtante et son talent exceptionnel. Tout à fait, Fanta, sa maîtrise des instruments authentiques tels que le kalangu et le molo souligne son dévouement à préserver et promouvoir l'héritage musical du Niger. Sa contribution à la scène artistique est inestimable. Il chante avec passion en Hausa et cela fait de lui l'un des meilleurs ambassadeurs culturels du pays. ni da ba hankuri ba in ji maraya wata rana ta da ta dauko daga birnin da magaran Kwan ba ta da ita ta biyu in ta tashi ba kwa ni. ai sai mun gama da birnin arzin lallan sabon kai kaɗan musa. Gidan babban Roma gidan a Yadda. Kwamba bataliya aka ba mu ta soji. A zamanin ana ta kalan ba tafiya arewa sai mai taya. Kuma tafiya arewa sai mai sallah. cewa Sabon kai kaɗan Na sani kayi kurare. Ranan kwanan Voilà, chers auditeurs, retour au studio après cette pause musicale. Nous allons à présent nous entretenir avec Maimouna Ousseini, dite Sylvie. Bonjour, bonjour Sylvie bonjour tout le monde. Et tout d'abord, merci pour l'invitation. Mhm. Donc, euh, pour commencer, euh, nous voulons bien que vous nous parliez brièvement du métier des, de la peinture acrylique ici au Niger. Bon, tout d'abord, je voulais vous commencer par vous dire que j'aime dessiner. Mhm. J'ai commencé à dessiner depuis mon bas âge. Donc j'aime la nature, J'aime dessiner les oiseaux, j'aime tout ça. Donc, euh, j'ai participé aux expositions de Hawad, mhm. un poète touareg, mhm. et qui faisait de la peinture euh, sur euh, l'alphabet tifinagh. OK. Donc, et ça m'a rappelé mon grand-père qui, qui écrivait en tifinagh, avec qui j'ai appris à à écrire quelques alphabets tifinards. Mhm. Donc ces deux-là, j'ai commencé, je me suis dit, mais pourquoi pas, moi aussi, je vais faire de la peinture. Super. Alors, euh, est-ce que les Nigériens apprécient vos œuvres parce que euh, vous avez déjà débuté, vous faites aussi des, des toiles, n'est-ce pas, que vous exposez ou que vous vendez. Alors, est-ce que les Nigériens apprécient vos œuvres vous savez, vous savez, je, je viens de commencer. Donc, euh, j'ai participé à, mon, à, ma première exposition au CCFN. Mhm. Donc, j'ai vu des gens qui ont vraiment aimé. Ils ont posé des questions et d'autres ont même acheté. Donc, euh, je pense que je laisse à celui qui veut venir voir mes œuvres euh, d'apprécier lui-même. Ouais, tout ça, c'est assez encourageant. Mais moi, euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui influence votre travail, par exemple D'où vient l'inspiration lorsque vous, faites de la peinture D'où vient l'inspiration Je m'inspire de ce que j'ai appris avec mon grand-père. Mm-hmm. De, l'alphabet De l'alphabet oui. Mm-hmm. Bien que ça pas de la nature ou du désert. Du désert, non, je, je m'inspire de, surtout de l'écriture. Tifina, euh, je fais des, des, des, calligraphies, mhm. euh, aussi des symboles. Il y a des symboles amaziques que j'utilise aussi sur des toiles. Mhm. Est-ce qu'il y a une particularité précise sur vos, vos toiles C'est la calligraphie. <laughs> C'est la calligraphie amazique. Ok. Alors, euh, vous avez parlé de votre première exposition au niveau de CCFN. Mhm. Voilà. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous parler on aimerait savoir plus euh, sur cette exposition. Ça s'est passé comment Est-ce qu'il y a eu une forte participation du public nigérien ou bien c'était à huis clos C'était quoi concrètement hein, Il y avait beaucoup d'invités. Ok. Et je, je n'étais pas la seule artiste peintre qu'on a mhm. invitée. Mhm. Donc euh, vraiment, ça s'est très bien passé. Mhm. Et j'ai, moi-même, j'ai aimé la façon dont j'ai vu les gens sont venus voir. Mhm. Et c'était bien. Ok. Vous avez dit également que euh, lors de cette exposition, il y en a de, des personnes qui ont apprécié euh, vos œuvres. Il y en a aussi qui ont acheté. Et, après, est-ce que ces clients-là reviennent vers vous pour des demandes ou bien Oui. oui, ils amènent d'autres clients. Ok quand, quand, des gens voient ça ailleurs, hmm. ils demandent mais où est-ce que vous avez trouvé ça hmm. Et puis j'ai mes contacts, j'ai mes catalogues. Ok. <laughs> On me contacte et puis celui qui veut achète, c'est comme ça. Et ok, d'accord. Alors vous personnellement, vous avez un client cible. Est-ce que vos œuvres sont destinées vraiment euh, à des clients cibles Si ou bien vous ciblez, à voilà. Hmm. Ou bien c'est à tout le monde. C'est à tout le monde. C'est à tout le monde. Vous n'avez pas de clients cibles. Parce qu'il y en a des, des peintres souvent quand ils produisent leurs œuvres, souvent c'est pour les, grosses entreprises, par exemple les banques. Voilà, ok. Mhm. Parce que à part même les toiles, mhm. les tableaux que je fais, je mhm. fais des coussins. Ok. Je fais des motifs sur des sacs, sur des t-shirts, sur des napérons, sur des traverses. Ok. Donc tout ça là. C'est de la broderie que vous faites Non, des dessins. Ah ok, juste des dessins. Des dessins de L'alphabet final. D'accord. Merci euh, Sylvie. Avant de continuer cette discussion, nous allons euh, vous laisser souffler et passer à la revue de la presse qui nous sera présentée ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Ali, bonjour Fanta. Bonjour Mokhtar. Alors, euh, en premier sujet, diplomatie après la fermeture de l'ambassade de France à Niamey, les activités transférées à Paris, titre en gros le journal en ligne Actu Niger. Et oui, Fanta, comme annoncé depuis quelques semaines, l'ambassade de France au Niger est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre, a annoncé ce mardi 2 janvier 2024. Dans une note, les autorités françaises annoncent que l'ambassade poursuivra ses activités depuis Paris et les activités consulaires seront prises en charge par les consulats de la sous-région, nous apprend le journal actuel. Tunisia. Le ministère euh, français de l'Europe et des Affaires étrangères rappelle que depuis cinq mois, en effet, l'ambassade subit des graves entraves rendant impossible l'exercice de ses missions, blocus autour de l'ambassade, restriction des déplacements pour les agents et refoulement de tous les personnels diplomatiques euh, qui devaient rejoindre le Niger en violation évidente de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Alors, Mokhtar, visite à Niamey des premiers ministres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel en marche, titre l'hebdomadaire La roue de l'histoire. Arrivé le vendredi 29 décembre 2023 à Niamey en visite de travail et d'amitié, le Premier ministre de transition du Mali, Dr Shogel Kokala Maïga, et celui du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kiliam de Tambela, ont passé un séjour de trois jours au Niger, en compagnie du Premier ministre de transition nigérien, Ali Mohamed Laminzen, qui les a conduits à l'aéroport international Jori Hamani de Niamey. Les trois premiers ministres se sont transportés au rond-point Escadrille de Niamey où depuis le 2 septembre 2023, la place était occupée en permanence par des milliers de manifestants qui exigeaient le départ des troupes militaires françaises du Niger. Les deux premiers ministres étaient venus célébrer l'événement historique et libérateur en communion avec le Niger et s'entretenir avec les plus hautes autorités nigériennes sur le renforcement de l'Alliance des États du Sahel AES, un pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso le 16 septembre 2023. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES continuent à faire preuve d'amitié et de solidarité dans le cadre de leur lutte commune pour la souveraineté, la défense et la sécurité des trois États signataires. L'axe Bamako, Ouagadougou et Niamey se renforce chaque jour avec une appropriation des idéaux des trois chefs d'État par leurs peuples respectifs, poursuit la roue de l'histoire. Et Mokhtar, de son côté, l'hebdomadaire Niger Inter titre Gestion des ordures ménagères, un vrai casse-tête pour la ville de Niamey. Selon le journal, la problématique de la gestion des ordures ménagères dans la ville de Niamey constitue un vrai casse-tête à la fois pour les citoyens que pour la mairie. Un défi majeur pour les autorités municipales qui, selon beaucoup de citoyens, ne font pas assez pour lutter contre l'insalubrité du fait de la mauvaise gestion des ordures dans la ville. À Niamey, le faible taux de collecte d'ordures favorise l'installation de dépotoirs sauvages dans les quartiers et par ricochet la montée de l'insalubrité. Un avis que partage largement Nasser, commerçant au marché jamadé de Niamey, interrogé par le journal. Le journal se basait également sur une étude euh, du ministère de la Ville et de la Salubrité urbaine de 2017, selon laquelle le taux de collecte des déchets urbains représente moins de 20% de la production totale dans les villes, un taux largement inférieur pour une démographie galopante dans la ville de Niamey. Et oui, Mokhtar, de l'autre côté, euh, Acti Niger titre Cocoa 2023, la légende de Isaka remporte le trophée de la sauvegarde de patrie, son sixième sacre et une première dans l'histoire de la lutte traditionnelle au Niger. Eh bien, Ali Moukela Ousseini, les lampions de la 44e édition du championnat national de lutte traditionnelle Cocoa 2023 euh, se sont éteints euh, ce dimanche 31 décembre euh, l'après-midi à l'arène des jeux traditionnels à Boubacar Jibo d'Agadez avec le sacre de l'invincible Kadri Abdoudi Isaka Isaka de Dosso. Lors de la finale qui s'est déroulée en présence du Premier ministre de Transition Ali Mohamed laminzen ainsi que ses, homologues du Burkina Faso et du Mali, le détenteur du sabre national a terrassé le talentueux Mati Souley de l'écurie de Maradi au cours d'un combat qui a duré 8 minutes 4 secondes. Avec euh, ce sixième sacre après les trophées de 2015, 2016, 2019, 2021 et 2022, Isaka Isaka confirme qu'il reste actuellement le roi incontesté des arènes et inscrit en lettres d'or de sa, sa glorieuse épopée dans l'histoire de la lutte traditionnelle, le sport roi au Niger. Et c'est tout pour la revue de la presse hebdomadaire de ce vendredi 5 janvier 2024. Merci Mokhtar et bonne journée à vous. Merci à vous tous. Euh, très bonne continuation aussi. Merci. Merci. Chers auditeurs, nous allons continuer notre entretien du jour avec notre invité Maimouna Ousseini. Alors Sylvia, dites-nous, est-ce qu'il y a des messages ou des émotions que vous cherchez à transmettre à travers vos œuvres de peinture Vous savez, il n'y a pas un sou, un mhm. Et la peinture acrylique, la, peinture plutôt, c'est un art noble. Donc euh, j'encourage les jeunes à, se lancer, tout celui qui veut faire de la peinture, de se lancer. Et parce que ça permet de connaître le fonctionnement de nos cultures mhm. aussi. Mhm. D'accord. Alors, euh, est-ce que euh, vous avez accès facilement au matériel que vous utilisez pour, la peinture Oui. Non, pas du tout. Parce que tout ce que je fais, tout ce que j'utilise même, mhm. je commande ça de... l'extérieur Voilà, qu'est-ce que vous utilisez justement pour faire vos, tableaux Par exemple, je commande euh, les, comment on appelle ça, les pinceaux. Mhm. J'ai commandé ça de l'étranger et le tissu même pour préparer la toile. Mm. J'ai commandé ça. Et puis euh, la peinture mm. et tout ce qui concerne la peinture, j'ai commandé ça de l'étranger. De, de l'étranger. Ok, mais actuellement, nous sommes euh, dans un contexte un peu particulier avec la fermeture des frontières. Comment est-ce que vous arrivez euh, à faire votre travail Est-ce que vous arrivez à avoir ces produits-là que vous commandez de l'extérieur Difficilement. Difficilement. Oui. Expliquez-nous un peu comment ça, ça se passe. Est-ce que... <laughs> Vous venez juste de le dire avec la fermeture des frontières. Mhm. Donc il faut passer par, euh, je ne sais pas où, par des containers peut-être mhm. qui vont venir vers, euh, je ne sais pas, il faut faire de la gymnastique tout ça là euh, pour que ça rentre au pays. Et Donc ça va prendre même du temps. Ok. Avant de venir. Mais quand même, vous arrivez à, avoir les, produits Oui. Ok. ok. Mais alors, Sylvie, selon vous, est-ce que ce métier est assez promoteur au Niger Je pense que c'est promoteur, mhm. puisqu'il y a beaucoup d'artistes peintres mhm. au Niger. Il y a beaucoup de jeunes. Mhm. D'accord. Alors, comment voyez-vous euh, l'évolution de l'art de la peinture acrylique au Niger dans les années à venir Est-ce que d'ici là, selon vous, est-ce que ça va évoluer il y aura plus de, peintres ou bien qu'est-ce que ça va donner selon vous Vous savez, euh, la peinture, elle est méconnue. Ok. Euh, de la majorité euh, de la population nigérienne. Mhm. Donc je pense qu'avec le temps, ils vont lui donner de l'importance. Mhm. Ils vont lui donner sa valeur. Puisque car il y a beaucoup de jeunes qui naissent chaque jour J'aime peintre talent qui naît chaque jour. Mhm. Est-ce que vous, aspirez à l'enseigner si vous ne le faites pas justement actuellement Oui. Mhm. J'espère bien. Super. Alors, euh, vous savez, moi, j'aime bien la peinture parce que j'ai l'habitude de participer à des expositions au niveau de la galerie Tawedo. Je ne sais pas, vous connaissez cet endroit, la galerie Tawedo Bon, voilà, j'ai l'habitude d'assister et souvent, euh, on voit pas mal de peintres qui amènent euh, des, toiles n'est-ce pas Et ils mettent ça, comment on appelle Ils mettent ça en, vente, vente aux enchères. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas, est-ce que vous, d'ici là, vous avez euh, peut-être cette initiative de mettre euh, vos, œuvres en vente aux aux chers ou bien je ne sais pas, comment est-ce que vous voulez procéder L'avenir nous le dira, mais je ne pense pas. <laughs> Une dernière question avant de se dire au revoir, Sylvie. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui aspirent à faire le même métier que vous je viens de le dire tout à l'heure, mhm. ils n'ont qu'à foncer. La peinture, c'est un art noble. Mhm. Donc, euh, si, si réellement ils veulent faire de la peinture, alors de ne pas hésiter. Merci beaucoup Sylvie d'avoir répondu à notre invitation. Chers auditeurs, nous allons faire une petite pause et on se retrouve juste après le temps de se dire au revoir. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 27 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission consacrée à l'entrepreneuriat. Eh oui, au Niger, beaucoup de jeunes s'intéressent euh, à l'entrepreneuriat, comme c'est le cas de Haruna Meigari Saïd, qui, depuis son jeune âge, s'est battu hein, pour être indépendant. Aujourd'hui, entre autres activités, il est commercial dans sa propre entreprise dénommée Sam Niger. Écoutons le micro de Aminata Boubacar. L'activité principale de la société SAM, c'est vente de motos et de pièces détachées. Secondo, j'ai des jardins parce que euh, j'aime un peu ça. J'ai une ferme. Ça ne fait même pas six mois que ça a débuté la ferme et j'ai des voitures encore qu'on me fait taxi. Même si c'est pas beaucoup, je tiens beaucoup. Pouvez-vous nous dire aussi quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos activités Dans chaque activité, les difficultés ne finissent jamais. Pourquoi Parce que premièrement, avec euh, la fermeture des frontières, certaines euh, marchandises arrivent à venir au pays, mais la voie de Bénin-Niger, c'est plus proche, c'est plus rapide. Par contre, si on prend la voie de Burkina, Burkina, Niger, donc vous, avez, voyez vous-même, ça fait trois pays. Ça, c'est le premier aspect qui est vraiment qui nous met un peu à genoux. Mais on va s'adopter, Inch'Allah, parce que la nous. ça concerne tout le monde. Donc, euh, je suis pas seul, c'est pas ça mon entreprise, simplement. Et concernant l'agriculture, l'engrais, c'est très important. Et des différentes semences à améliorer si l'État peut aider à casser même le prix. Vraiment, ça va beaucoup contribuer, ça va beaucoup nous aider et le carburant est cher pour les voitures. Maintenant, quel appel lancez-vous aux jeunes qui ne font rien Parce qu'il y a des jeunes, leur vie se limite seulement aux fadas et les réseaux sociaux. Ils ne dépendent que de leurs parents. Ça, c'était les années intérieures, c'était les années 90. C'est pas qu'il n'y a pas ce genre de jeunes jusqu'à présent. Il y en a, mais quand même vraiment un taux trop faible. La voie du succès, nous la connaissons tous stand-up, élève-toi Il n'y a pas de sous en tout cas, ça c'est sûr. Ferme, l'élevage, tout, tout, il n'y a pas de sous-métier pour les jeunes. Et les jeunes Nigériens sont conscients de ça. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était Haruna Meigari, voilà, Saïd, responsable de l'entreprise SAM Niger, au micro de Aminata Boubakar. Avant de continuer, chers auditeurs, soufflons en musique avec euh, cette fois-ci Haruna Liboré qui nous chante euh, Koma un clin d'œil à tous nos auditeurs de la région de Tilaberi. ay, yo. Fanta Liboré, appelé aussi Pompazo Liboré, est un éminent chanteur de la musique traditionnelle nigérienne à travers les mélodies et les paroles empreintes de la langue zerma, Il transmet la réalité vibrante de cette région du Niger. oui, Fanta, dans cette chanson, Pompazo évoque les paysages et les activités qui font la singularité euh, de Koma Bangou, euh, un site d'exploitation artisanale de l'or dans la région de Tilaberi. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, direction d'IFA pour l'écho des régions, pour parler d'une pratique peu commune. Oui, c'est non. Dans cette partie du Niger, le port du couteau pour la communauté Toubou est culturel, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et oui, euh, les femmes portent euh, accessoirement cette lame appelée localement Murtafaoudé, hein, pour des raisons évoquées Ici, par euh, Falmata Adam, spécialiste de la culture Toubou, elle est interrogée par Gidi Abdurrahman. L'interview est traduite par Fanta Chamsou. Le fait de porter un couteau, c'est une tradition pour nous. Nos grands-parents le faisaient bien avant nous. Mais le monde a beaucoup évolué maintenant. Le couteau, ce n'est plus pour blesser quelqu'un ou autre chose que nous le portons. Mais avant, j'ai entendu dire, la femme le porte pour éloigner les autres femmes qui rôdent autour de son mari. Mais actuellement, c'est juste culturel. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Les gens avec qui nous vivons sont devenus comme de tout Eux aussi portent le couteau. Même ceux qui se disent modernes en gardent un dans leur sac à main. Mais ce n'est plus le même usage qu'avant. Les couteaux sont de différents types. Celui que les femmes et les jeunes filles portent, c'est un tout petit qu'on appelle Murtafaoudi. Les prix des couteaux diffèrent aussi. Il y a ceux qui coûtent très cher et il y a les moins coûteux. Il y a le couteau de 25 000, celui de 5 000 et même celui de 1 000. Comment est-ce que ces femmes transportent leurs accessoires Les toubous modernes qui vivent en ville portent leurs couteaux dans leur sac à main. Et nous qui sommes au village, nous l'attachons soit au bras, ou à la cheville ou encore à la taille. À partir de quel âge la femme toubou est autorisée à porter un couteau Même si le monde a beaucoup évolué, c'est à partir de 13 ans que la jeune fille commence à grandir et ça devient même un ornement pour elle. Maintenant, dès que la fille se marie, elle ne le porte plus comme avant. À partir de deux enfants, la femme n'en porte même plus. Au vu de la situation sécuritaire, est-ce que le port du couteau est permis toujours Oui, maintenant il y a beaucoup de sensibilisation dans les villages, dans les écoles et autres. Ce n'est plus tout le monde qui emporte. Nous-mêmes, nous ne laissons pas les nôtres à la portée des enfants. Même à l'école, c'est interdit. Il y a même un projet qui avait œuvré ici un moment armes contre développement. Ils nous ont beaucoup sensibilisés sur le port du couteau. Mais comme c'est un truc culturel qui date de l'époque de nos grands-parents, les gens ont quand même beaucoup diminué sur la fréquence du port du couteau. Même au marché, la disponibilité du couteau, ce n'est plus comme avant. Avant, il y avait toute une place pour les fabricants, les forgerons, mais maintenant, non. Voilà, c'était la Falmata Adam, spécialiste de la culture Toubou, au micro de Gidi Abdurrahman Fanta. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. Le studio Kalangou est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et place à présent à la page sport et nous avons Assumi Gourouza Karimou sur place. Bonjour Gourouza. Bonjour Fanta, bonjour Sinou. Bonjour. Apparemment vous êtes en forme là. Super, <laughs> merci beaucoup. <laughs> Alors, Gourouza, on parle de la Super League du Niger qui reprendra après quelques semaines de repos. Oui, Fanta, les joueurs étaient en vacances, euh, vous vous rappelez, de fin d'année et à l'occasion de la 44e édition du championnat national de lutte traditionnelle à Agadez pour quelques jours. Mais le championnat reprendra pour le compte de la 8e journée. En attendant, nous allons vous donner le classement de la 7e journée. AS Fan occupe la première place avec 13 points suivi de l'AS Douane, 11 points, troisième AS Gare Nationale. Euh, la Saint-Nigelec euh, prend la quatrième place avec 10 points et Espoir de Sender ferme la manche avec deux points. Alors, euh, Gourouza, l'équipe nationale du Niger séjourne à Dakar pour un match amical avec le Sénégal. Oui, c'est nous, les Lions de Terenga, détenteurs de la Coupe d'Afrique des Nations et le MENA du Niger vont s'affronter. C'est une rencontre du dernier virage des Lions avant de regagner la Côte d'Ivoire pour défendre leur titre. Le match amical se déroulera le 8 janvier prochain, dans quelques jours, au stade Maître Abdoulaye Ouad de Dakar. Il faut noter que le dernier match des deux pays en amical s'est soldé euh, sur le score d'un match nul, un but partout. C'était le 6 janvier 2023. Et du, 13 au 11, et du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire abritera la Coupe d'Afrique des Nations de football et la CAF a augmenté le prix pour le vainqueur final du tournoi. Mais oui, euh, Fanta, le prochain vainqueur de la Coupe Cannes empochera un chèque de 7 millions de dollars. Je n'ai pas dit 7 millions de francs CFA. On parle de dollars là. Il faut convertir en CFA. Et l'annonce a été faite par la Confédération africaine de football, City hier. En effet, l'instance suprême du football africain a décidé une augmentation de 40% du prix du vainqueur de la Cannes Côte d'Ivoire par rapport à la précédente euh, édition au Cameroun. Le finaliste malheureux aura lieu, aura 4 millions de dollars. Euh, chaque demi-finaliste recevra 2,5 millions de dollars et les quarts finalistes auront 1,3 million de dollars. Et c'est de l'argent. 24 pays scindés en 6 groupes de 4 prendront part à la compétition prévue dans 5 villes ivoiriennes. Les deux premiers de chaque poule ainsi que les 4 meilleurs troisièmes se qualifieront pour le huitième de finale du tournoi. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Gourouza. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou à travers nos radios partenaires et sur notre site internet www.studiocalangou.org. Il est 11h passé de 41 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. C'est nous, tu nous présentes qui ce matin Fanta, ce matin, pour le portrait, nous descendons euh, sur le fleuve Niger pour euh, le Dandi Agaya à la rencontre de Tanimoun Maman. C'est un euh, pêcheur qui, avec la fermeture des frontières euh, avec le Bénin, suite au coup d'État, s'est reconverti en transporteur. Il est transporteur sur le fleuve, bien évidemment, dans sa pirogue, donc il n'y a pas un si grand changement tout comme fait. <laughs> Voici son portrait signé Habib Garba. Tani est un jeune âgé de 35 ans qui vient à ses besoins de la pêche. C'est un métier qu'il a hérité de son défunt père Mahamman. Tanimoun a été initié dès son bas âge. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les activités d'hygiène se passent sur le fleuve. J'ai été initié à la pêche depuis l'âge de 7 ans par mon père. Je n'ai pas choisi autre chose que le métier de mon père. Lui aussi l'a hérité de son père. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Maintenant, je suis autonome. Certes, Tenimoun juge insuffisant l'encadrement de ses enfants pour assurer sa relève. Cependant, il déclare leur avoir transmis les secrets de l'eau. Tout ce que mon père m'a fait, je ne peux pas le faire puisque ah. les temps ont changé. Les enfants vont à l'école coranique et l'école moderne, mais tout ce qui est en rapport avec les eaux, je leur dirai pour qu'ils s'en souviennent. Depuis la fermeture des frontières de certains pays membres de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec le Niger le 30 juillet, après le coup d'État au Niger, ce sont les piroguiers qui rallient le Bénin au Niger. a rangé ses filets et hameçons pour le transport fluvial, une activité qui fait grimper ses chiffres d'affaires. J'amène des marchandises au Niger, des sacs d'igname, des tomates et des ananas. Je les achète à Malanville souvent. Je gagne 50 000 francs et parfois 40 000 francs par jour si le marché est bon. Hein, Pour le jeune piroguier de Gaïa, même s'il tire son épingle du jet dans les transports fluvial, il souhaite le retour d'une accalmie entre le Bénin et le Niger. Voilà, vous venez de suivre le portrait de Tani Maman, un pêcheur reconverti en transporteur suite à la fermeture des frontières avec le Bénin. Et oui, comme vous le savez, euh, cher auditeur, le Niger sur Kalangu, c'est aussi une bonne dose de musique 100% nigérienne. Alors je vous invite cette fois-ci à kiffer le son de Nyala Matinhire de Fatima Rico. C'est parti. matini hire matini nyanga ihire chers auditeurs, après cette pause musicale, on passe au loti du jour qui traite de l'importance de la carte d'identité nationale. Et oui, Fanta, c'est un document administratif euh, servant à justifier l'identité d'une personne, même si certains euh, citoyens ne connaissent pas son utilité. Rakia Harimi et Samira Rouafi nous édifient sur le sujet. On les écoute. matsu ki ji matsu Salale, ‘yar uwata kina lahiya, ya ne, ya hanya, ina fatan dai kin kamo na wasu abubuwa ko? Ke, ki ƙara mini haushi kin shi ko? Yau ban zo da shi ba. Allah ya baki hankuri. Me ya faru? Wa ya sa ki cikin wannan halin? Koko Muhammad ne da ki gani waje bisa kan majalisa. Hm, inda ma shi ne. Bari in aje kayana in huta sannan in baki labari kaɗan. To am shiga ruwa ki sha. To gaya mini me ya faru? Ina so in ji abin da ya saki cikin wannan halin duk ke bi kanki duk ya biya ɓaci. Hmm, uwa in na haɗe miki abin da ya same mu kan hanya daga ƙauye zuwa nan ya mai ba kya yarda ba a kan kowane iyakar gari na ce miki sai an sabke mu an tsaida mu abin bai birge mu ba ko kaɗan wanda ya sa kenan muka yi latti a'a dan me yasa ake ji ku daga mota kuma a maida ku ko ko kun kwaso sayan kwaya ne cikin mota hmm, a'a wai kawai dan saboda cikinmu wasu ba su da katin ɗan ƙasa wanda ake ce ma karti didantite he ka ce dole ne ka yi shi haba ke ko yar uwata ai waɗanda sun kaji da ku suna da gaskiya tun da ke ga kun keta doka ai ai katin zama ɗan ƙasa dole ne kowane ɗan ƙasa ya yi ta inda ya kai shekara goma sha takwas wannan shine ke sa a san ko wane ne kuma a samu a kare shi don ba a sani ba abin da ke iya faruwa kariya kariya da mi kuma da wa cikin ƙasa ta fa nake wani irin abu ne zai same ni gaskiya ni dai in haka nan ne ko ba na sake zuwa birnin nan ba can ta matse miki in kina son ki zo in kina son ki zauna can cikin wannan sulurin ƙauyen naku amma ina son ki san da wani abu katin ɗan ƙasa abu ne da ke gwadin da kai ɗan ƙasan ne kuma an aza shi tun bisa kan dokar da ta wuto rana tara ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu amma wallafa shi bisa kan jaridar ƙasa mai lamba goma sha tara na ranar ɗaya ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu ke shahamun lahiya kin shigo kiri kika san komi in dai bisa kai ga gaiki ne kam na san abubuwa da yawa to tsada in gaya miki kin ga katin dan kasa tun da baki iya yawo da takarda aihuwar ki wannan sauki ne da an kan muku abun da bisa takarda aihuwar ki shi dai ne ake rubuta bisa kan katin dan kasa dan ki samu ki yawo cikin kwanciyar hankali kuma ki gani cikin wannan rishin samun kwanciyar hankalin da muke ciki kuma har ma wajajen ku babu kwanciyar hankali kina iya shiga cikin wani hali da baya da kyau kuma ke ga yanzu fa ana zargin cewa mata da su ake kulla baki ana yin masiba kai kai kai kai layi Allah ya tsare mu kuma in wani abu ya same ki wani hatsari ko wani abu bani fatan shi amma in kina da katin ɗan kasar ki tare da ke wannan zai sa a san ko ke wace ce kuma ke ga ana rubuta lamba saman katin sai a gaya ma yan uwanki kenan haka ne yin wa'annan takardun yana da muhimmanci abin bai taɓa zuwa mini a kaina ba To, kin gani kina da shekara goma sha tara. In kina son ki ta ki ɗauko wani sako, ba ki iya yin shi in dai baki da katin. Kuma yanzu ga harkokin aike-aiken kuɗi aika a ɗauko maka ko a aika ka aika ma wani. Da kuma harkokin banki dole sai da kati. Ke dai bari, kin gama komi, ai na gane duka. Daga na koma ƙauyenmu zan yi wannan katin domin in samu in yi bulaguro a cikin kwanciyar hankali. Ke, balle kuma ke ma ba kya samu damar cewa ba ba kya aiko mini wani abu ba dan ban ne da kati a gaskiya ina baki kwarin gwiwa ai dai zancen kuɗi ne nan da ne kike fahimtar abu ha na gane fa <laughs> ba ni ruwan nan ki ga in sha Voilà, chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Alamine Ouachar. Il est journaliste et traducteur en langue tamashek. Aujourd'hui, il nous explique le mot honneur en tamashek et c'est le mot de la semaine. Bonjour Alamine. Bonjour Fanta, bonjour Siano, bonjour Azama, bonjour Amina. Euh, honneur est un ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi ou celle qu'autrui nous porte. Sens de l'honneur, s'estime de sa propre dignité, réputation, attaquer l'honneur de quelqu'un. En termes littéraires, l'honneur, c'est tout simplement une fierté. Depuis les événements du 26 juillet 2023, les mots « honneur reviennent dans le langage des citoyens, surtout avec euh, les nouvelles euh, hymnes du pays intitulées L'honneur de la patrie. Honneur manani ashruf harwada imosar dagaratan win shudinin Santas Asentas السنتاس فرقنا وتيقلا ار تيموس يتاقا ويدن فلقنا ويقرن اقاز نشروفنت التشيتنت يموس تاكل يتاقا ويدن استارت نيجين نشك ادوري قوارك تكوكل مدي دوري قوارة تزي قلن ار تزي درسن اشوف نيا مدي غارة تزي قلن الليد نشك وسيتا ومالويدن فلاسس تصوانا دغا الشك يزير ردو دغا شروف نويدا أسي موسى سوي دنا شروف نت إقاسا غازولاغا ودي أرتسي فرقوي نصر ست ستغفر أستتكلا فلقنا ويقلن كنا ويدا إيسا تفرح صرت ويقلن الشك ويتك مدي تكوكلت نشك مدي تكوكلت نشرف أستصوانا دغا دو بزن ورا بازن تغمر تنسوج تان تيموس سنة تسرج تسرزدات اللي تنجي النواطي وان الشنجيم سنة تمروان كرا اشك أشروف موسنا را تنسمزي كل الشي سرسك سكنية فلقنا وقلا انتدا كيما دينا ويسوات ندولت وستانو لنر لا باتري Mère Alamine, j'espère que j'ai bien prononcé. <laughs> Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en fulfuldi ou en Tamashek, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je répète, au 82 89 89 64. Et justement, Fanta, nous allons écouter les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. ni suna na Siraju Malam Sani mai kasa ɗalibin jami'a mazaunin birnin Kwanni ina ma studio Kalangu barka da sabuwar shekara kuma ina murna da Allah ya gwada mana sabuwar shekara ta 2024 ubangiji Allah sa mu shekara eh, mai alheri gare mu kuma alherin da cikin ta Allah gaba mu shi kuma na studio Kalangu barka Allah ƙara musu fahimta game da aikin da suke kuma Allah ƙara musu kuzari da sabon program na cikin sabuwar shekara ga saboda mu masu waren su ko da yaushe muna sa studio Kalangu yanzu mun kasance mun je wani sabon shiri ne saboda ci gaban mu masu waren studio Kalangu kuma muna ƙara goyon ba da studio kalangu a ko da yaushe game da shirye-shiryen da suke yi su tu shiri na matasa da kuma abubuwa na karin ilimi ga matasa biskan rayuwar yau da gobe muna ƙara muna roƙon ubangiji Allah alheri da cikin wannan shekara ke ba mu gaba ɗaya da mu da al'umma masu wani studio kalangu da kuma al'umma ƙasar Nijar gaba ɗaya amma za mu iya hodi kenan je me nom Fatima ici à Zerena le Niger sur kalangu pour moi c'est une émission très spéciale très importante que tout interlocuteur doit suivre parce que elle aide sur beaucoup des choses. Ce qui me motive à écouter le Niger le Kalango, c'est surtout le loti des femmes du studio Kalango. Vraiment, ils font de leur mieux. Je suis fan d'eux et j'ai beaucoup appris sur euh, cette émission-là. Il y a aussi l'actu des jeunes, la revue de presse, tous à la fada. Ce sont des points qu'il ne faut pas rater. Je salue tous les travailleurs du studio Kalango. Je salue tous les animateurs les techniciens, les reporters. Je leur souhaite euh, une très bonne année 2024 avec beaucoup de succès, plein de bonheur et de réussite. Et aussi, je souhaite à tout le peuple nigérien une très bonne année 2024. lalle muna sauraron gidan rediyo stiro kalango ka gane wanda kuke yi saboda mu dai gaskiya shina kayar ta mu saboda mi duk da duk da gidajen mu muke zamane da mu da iyalin mu ka gane ko muna zamane muna saurare gwargwado muna cikin annashuwa muna sauraron ku kuma ubangiji Allah kuma Allah ya kama muku saboda jan kokarin da kuke yi kuna ganin cewa a gyara ma talakawa rai bisa ga wannan al'amari naku muna biya ta studio kalangu babban birnin mu na yamai kuma muke mika sahihiya mu da fatan kuma wannan sabon shekara da muka samu kanmu ta Allah ta'ala ya zubo albarka a cikin wannan ƙasa ta mu sakon da agare mu da studio kalangu muna dubun gaisuwa da fatan alheri gare su kuma muna musu jinjina ta musamman dangane da suna didiya al'umma kuma suna didiyar masu sauraron su duk farfajin faɗin Nijar gaba ɗaya to da haka muna taya su barka da sallah barka da shiga sabon shekara da Milvan Takat na haka insha Allah shi a sakon daga gare mu kuma muna ƙara musu juriya da hankuri dangane da hulɗayyar al'umma da jiro su saboda in kuna da hurdayya da al'umma kana jin wani shi na ai ma magana kwarai wani shi na sako ma magana da bata dace ba to idan kana dauke da wani takali na nawa yayin al'umma to sai an sami ka mai hankuri da abin da ya kama da wannan da haka muna musu fata alheri kuma Allah ya ƙara dauka da shi wannan gidan rediyo nasu insha Allah shine Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, les Hindadi Karewa, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou que vous écoutez à Niamey sur Canal 3 euh, sur la fréquence 90 MHz. Au micro, c'était Fanta Chamsou et moi-même Ali Munkela. Je vous retrouve demain, samedi et dimanche dans la chronique de tous à la fada. Sur ce, ciao ciao Fanta. la technique, c'était Amina Hassan et Adam Adouaki à l'édition. À plus. Il est temps. Il est l'heure. On tourne la page. Bonne année à toutes et à tous. Allah fetna rodna watay. Ukayesi. Barkaji modon e, e wonja golitane. Jama'a barkamu da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une